L'éducation, c'est d'abord la compréhension, un processus où on inculque à l'enfant les valeurs et les normes sociétales. Le premier aspect, c'est celui de la souplesse qui est l'émanation de la maman, chargée de transmettre ses valeurs avec courtoisie et des techniques, et l'autorité parentale qui intervient lorsque l'enfant a tendance à dériver. Lorsque l'éducation est rigide, surtout en termes de certains aspects qui sont tabous au niveau de la société, les conséquences sont énormes. Tout enfant qu'on prive de la réalité de la vie, il cesse de grandir dans la tête. Tout enfant qu'on prive, lorsqu'ils vont se détacher de leurs parents, ils vont découvrir toutes ces questions taboues et ils vont plonger dedans. L'éducation, c'est un accompagnement.